mbokk yi jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di siyaare bu baax réew meek ak bitim réew tey nag euh, suñu édition spéciale ñoo war ko sekk ak tey ki ñuy wooyee Assane Ba Assane Ba euh, doon analyse politique waaye tamit doon administrative de société waaye tamit euh, mën nañu wax ni doon kàngam loolu si wàllu marketing ak communication moom Assane Ba moomu tamit eh, bokk si si parti eh, PDS Assane Ba moomee la ñu am tey suñu gan eh, war a moom sekk ak moom waxtaan Assane ñu ngi lay siyaare monsieur Sall ñoo leen di siyaare bu baax di leen dalal di leen tatagal di leen félicité ci invitation bi nga xamante ni defal ngeen ma ko fas yéene waxtaan ak man ci mbirum sama liggéey ci mbirum parti politique ak ci mbirum sama candidature bi à la mairie de Ouakam maam ci mbégte lool di leen gërëm di gërëm seen responsable seen direction seen technicien yéen yëpp ma leen félicité di leen ñaanal yàlla suñu borom yàlla fexe ba seen télévision bi jëm kaw ci kanam euh, monsieur Assane euh, tey euh, bëgg nañoo ñëw ci sa jëmm ji Assane Ba Hassan Ba analyste financier qui métier Hassan Ba cadre à la Sonacos usine Sonacos de Dakar est euh, également militant du Parti démocratique sénégalais est très jeune maa tous les première au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis qui a que embrassé le besoin d'être militant du Parti démocratique sénégalais Je suis un professeur français tout donne Mokhtar Diba de Podor moom l'a le journal du Parti démocratique sénégalais donne le démocrate ñu defoon ci euh, programme fondamental parti bi

Euh, au fur et à mesure ñuy màgg ci loolu di tàgg ci loolu ba après le bac ma ñëw Ndakaaru dëkk si Wakaam en 1974 euh, donc continuer sa cursus scolaire après ma commencé liggéey yàlla suñu borom dogal ma am fi kër kër gi ma toog ma jënd ko am fi soxna itam si Dakar gi ci Wakaam gi sama njabur gep fi la ñu alors ma suis tamit militant sportif parce que je suis également dirigeant équipe nawetaan lew na bu bul wakam, wakaam xam nañ ko ensuite militant sportif bu wakam, wakam nekkoon tamit euh, ku ku bëgg pétanque alors j'étais dans le milieu sportif mais particulièrement je faisais la pétanque mo doon sama sport favori euh, ensuite euh, ci wàllu surtout l'athlétisme, l'athlétisme et l'école de foot pépinière yi euh, également leen encadrer nous leen former un groupement ay un e groupement de femmes ak des milieu culturel bi cosaan ak nous de l'ibou

wane na ni euh, wax dëgg yàlla euh, mën na wax ne daal ndar ga mu cosaanoo juddoo fa sax. fii daal la sama cër gën a bari parce que ndar ga ma juddoo cosaanoo fa bu ma fa demee sax. Mhm. daanaka gan laa fa. mais fii moom. Mhm. macha allah kenn du ma laajte wakaam. loolu tax nag ma am cofee lool ci wakaam bëgg wakaam. Mhm. bëgg tamit lëkk loo xam ne daf koy développé. lépp loo xam ne daf koy jëme ci kanam. alors du ma ci féete ginnaaw. d' accord léegi si wàllu développement Wakam boobu sax si la duggu gannaaw euh, ba nga jàngee euh, lycée si de Gaulle foo déggee Charles de ay kàngam yu bëri fa lañ jaar tey euh, nga jugee année 74 nga daal di dab tab bi si Dakar lépp liggéey ba commencé doon analyse financière ci finance boobu noonu naka nga ko dundee fii nii. waaw xam nga loolu nag maa ngi ko jàngee CESAC. Mhm. école ba am solo niveau universitaire la CESAC. Mhm. mu ngi nekk tey ci wetu RTS. Mhm. pour ñu ko xamul. donc foofu la César nekk jamono année boobu sax la jëkk tàmbali démarré da doon former des cadres en économie en finance publique euh, donc ak ay matières yu bëri euh, amoon tam ay étudiants yu jógee bitim réew ci yeneen réew yi ay euh, Guinée ay ay Tchad déjà des pays de la sous-région ñu bari bari bari vraiment jaar nañ fa def fa donc seen cursus jàng bu baax a baax xam nga comme comme économie beaucoup def mënoo ko ak finance parce que nous ñaar ñoo ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk épine dorsale nous ñaar ñoo mënoo leen xajale alors lors de moo tagat tàggat ba am ay at nag bi ma paree sama formation yàlla suñu borom def ñu embauché ma ci ben usine bu ñu wax le Sier Afrique Dakar le Sier Afrique Dakar mu nekk fa c'est une société privée don nal diwlin ji fé ci Bel Air le CIR Afrique Dakar di dem di dem en 1979 état Sénégal am ak euh, usine privée yooyu yëpp diwlin une convention convention des convention de 1979 mu a di donc usine euh, euh, usine yooyu ci la Sonacos juddu lool la création de la Sonacos société nationale et de commercialisation des oléagineux du Sénégal Moi, am Ziguinchor am Kaolack am Djourbel ak Ndakaaru alors donc lolu mom fa yóbbu ba bi nga xamanteni en 2004 yalla dogal suma parti ci dans le gouvernement dans l'état du Sénégal qui di l'administration de l'état ci administration euh, bu état Sénégal mon nek dans le ministère de la solidarité nationale également dans le ministère de l'agriculture également dans le ministère des transports terrestres et aériens moo qui ministère des de de waa des transports aériens donc c'est pour dire que Amna naa jaar ci administration bi ma am fa formation technique formation administrative alors mais lu jiitu loolu a naa nekk conseil municipal à Wakam avec en 1960 en 1960 euh, en 1996 euh, euh, pardon euh, ci bi nga xamanteni euh, tabax nañu li ñu tuddee les communes d'arrondissement. alors mu nekkoon 19 communes d'arrondissement arrondissement yàlla dogal na donc en 1996 premier conseil municipal bi nga xamante ni euh, am na fii ci goxuwaat yi man nekkoon naa conseil municipal déjà pour mon parti à côté de feu Biram Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm mu jëkk nekk fi maire de commune d'arrondissement, arrondissement ñoo bokkandoo euh, collège des conseils municipaux ba man mii ñu defoon ma ci sax président de la commission des finances compte tenu de mon cursus financier donc a déjà une expérience là. de 1996 ba y a le qui est borom ci ni toujours conseil municipal donc l'administration municipale comme l'administration centrale a bokk dañuy bokk daanaka parce que pratiquement ils la ni surtout également que mairie bi fait courir le, bu central bi ci mais kuréel yi dañu bok ci état central bi donc lool aussi c'est très important donc c'est pour dire que euh yalla maynama une expérience avérée pour mën nek le maire ci bu dekkee yalla dogal na té mu nek itam bëgg ci katan suñu borom je suis prêt à assumer ses responsabilités parce que je ne vois pas quelqu'un mm-hmm. koo xamante ëpp na mu cursus ci walu wowo d'accord lool sax la bëgg ñu dugg fofu walu askan bi euh, tay ji ni sa nekkin di ci wakam gannaaw ba nga jógee Ndar daari ñu ñëw euh, ci si si nga def ba adopter wa c'était très facile sama papa daf ma daan wax ni dëkk bo fa démé da ngay fexé am wa dëkk ba man nga papa nooy amé wa dëkk ba mu ma ben quartier ba nga dëkk. na ngay fexe ba xamante ak imaam ba dangay fexe ba xamante fa ak waajur yi mag kilifa yi sa moroom yi nga xamante ak ñoom nga koy topp wakaam dafa am ay frais wakaam dafa am ay ndey réew wakaam dafa am ay jaraaf ñoo ñëpp nag pyramide boobu yëpp bu ci nekk war ngaa mën a fexe ba amante ñoom xamante ak ñoom

Euh, li may wax ni bu ñu ko déggee kenn du ni déedéet itam di ànd ak ñoom ci xew yi bu dee xew bànneex takk ceeg yooyu ñu àndandoo bu dee tamit safaan wa ba dëjëk yooyu marditaal ñu ànd ak ñoom rek ànd ñaanal leen def sarase ñoom seen yooyu loolu daal laa lekk ak ñoom euh, doxlante teraanga joxante cër loolu daal moo tax vraiment

non man maa ngi fàttaliku bi mu nekkee ministère de la solidarité nationale ndimbalu état bi man mako don joxe ma don dem ci famille religieuse yep ba ci labbe bi à chaque fois ñu am manifestation religieuse man lañ don yebal j'étais avec le ministre Farba Senghor il faut le dire mais liggéey bob yep man la ko don jox mu koy jottali les ayants droit man ñi nga xam ne ci am sañ-sañ ci lolu la xamee famille religieuse yep nak bu ma duggee tey Tiwaawan danga naa ma fi laa dëkk ndax colère googu bu ma demee tey Touba nga xamante mooy sama si la nga naan non non c'est pas possible nga dem Njaasaan nga dem ci labbe bi nga dem cene ba nga dem laa Laayeen vraiment alhamdulilah rabbil alamin donc franchement côté boobu liggéey nañ si liggéey bu am solo liggéey bu mucc ayib ñëpp naw la ñu ba tey jii am naa carnet d'adresse bu am solo ndax Euh, jamono ji nga xam ne yor nañ solidarité nationale ak liggéey bi ak ndimbale boobu lañu ñu def fii ci Wakaam itam def naa ci sam kem kattan ci lima ma mën am na fi ay daayira yu doon def ay seen ay jàng doon na leen jàppale bu baax euh, kër kër diine bi nekk fii Mouhamed si liggéey sos ko muy mo mouvement Nabila ñoom itam ci jamono mosaan jot bu ñu def seen euh, ñaan yooyu alors doon nañ ñëw leen si jàppale ak jàngu dëkk bi ci da ko ñu daan ko def ci jumaa ju mag ji yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen ak yeneen kenn mënu wax lépp mais bu si nekk daal suñu loxo daan na ci daan na fa dem ci turu gouvernement bi nag turu Abdoulaye Wade jamono jooju wax dëgg yàlla loolu moo tax sax ma am cofeel lool ak ñinte te xam ni loolu lu am solo la mm-hmm. mais man individuellement personnellement individuellement euh, sama social sama diggante nit ak nit la mu dëppoo nag ak li ma am ak lu ma mën mais nekkul loo xam ne dem koy génne ak di ko kii wax dëgg yàlla alors monsieur Assane Ba kon ni ñu ko déggee sànq tey euh, mën nañu wax depuis lycée nga commencé euh, jël wàllu responsabilité demoon na sax ba euh, am benn cër yu ñu ne wooyee délégué délégué de classe ci loolu noonu si nga sukkandiku ba dugg si politique bi wala waaw mën naa wax ni hmm. loolu moo ma formaté parce que xam nga dañu teel a nekk genre contestateur

en 1975, pratiquement le 18 octobre 1975, c'est la Gendeman man sama quartier du Parti démocratique sénégalais Nek militant mm-hmm. Nek militant à la base Je suis militant ci kuréelu ndaw Je mm-hmm. di ci yëngu ak samay moroom yi mm-hmm. ba yàlla def ma dem ba Nek responsable régional des jeunes de la région de Dakar en même temps je cumule que ak le responsable fédéral madame zone zone littorale bi Grand Yoff Wakam Ngor Yoff dogal responsable du CLF comité de liaison fédéral en même temps nous bureau exécutif national du UGT madame direction ndaw alors bi fofu. Euh, le 26 octobre 1985, président Abraham, secrétaire général national, pour la première fois, mon nommé secrétaire national à l'encadrement des jeunes mon dugal euh, comité euh, mu secrétariat national jamono George comité directeur Amouron, j'ai jamono secrétaire secrétariat national ma secrétariat national moo donne kuréel bi qu'une direction parti bi quatre ans après Ablaye Wade dans le gouvernement de euh, Abdou Diouf euh, en 91 après nous sommes pris un statut à règlement intérieur nous avons créé créer comité directeur Le comité directeur n'est kuréel courriel, ouf, parce que le la est un ni fukki membre ak ñaar la ñoo ci ne ce li avons créé, créer ko comme comme le dugg ci gouvernement bi am une ay questions urgentes avons politiquement duñu mën a secrétaire secrétariat national nous, nit ñi ñi bëri dañu dëkkoon ci région yi ak ci département yi il faut convoquer au moins 3 jours 4 jours ñu soogee mën ñëw Dakar te jamono jooju transport bi mel la woon donc il fallait avoir ñu ñu taxawal benn kuréel bu simple boo xam te bu ñu ko soxla waxtaan rek ñu waxtaanee mbirum parti ci lañ comité directeur jamono jooju fukki membre ak ñaar la 12 personnes mais léegi soppar ñu nañ ko dem na léegi ba daanaka mot na 50 à 60 membres donc c'est pour dire que boobu itam maa ngi ci biir yor nag responsabilité

ay nit euh, nekk ak yow ngeen di waxtaan ñun nag doy na tey ji nag nga war a gën a taxaw nag ndax askanu Sénégal dañ leen war a taxaw dañ leen war a encadré ndax wakaam gii ma dëkk dafa laaj liggéey bu am am solo boo xamante ni dañ ko war a yëkkati am nañ fi problème assainissement am nañ fi problème sport stade bu xale yi fubalee sax amuñu ko te itam ñoy nekk équipe de première division équipe d'élite remporte nañ fi ay coupe du Sénégal du Ben du ñaar que muy muy football bi que muy basket bi yoy yëpp dafa laaj ñu liggéey bu baax pour mëna am ay terrain de jeu pour ces enfants là parce que wakam def bari ay gloire euh, ku melni euh, euh wad Mansour wad ancien goal équipe nationale ku wenn Oumar Gueye Samb ñoy ay légende lañu ñu mel ni Chita Ndiaye ak ñeneen ñeneen

am benen cadre bu am am solo bo xam ne wuñ ko xam nga euh dafa nek euh, booru littoral géej gi dafa nekk ci suñu pegg ñu am monument de la renaissance mu am am solo trop tourisme bi exploiter wuñ ko def laaj tay ñu exploiter tourisme bi bu baax a baax a baax a baax alors lolu da fay alors euh nit ñi di fi ñëw tubaab bi di fi ñëw bitim réew di fi

dafa am solo. alors monsieur monsieur monsieur Assane Ba lim fi wax ni yeb ay ay ay ay xel yo xamanteni euh, suñ ko suñ suñ ko dolalé di mën na jóg développement alors monsieur Assane Ba mosoo mosoo mosoo dem ci ben ci ben leader bi nga xam mo moom moo nekk fii nii ci Wakam maanaam mosoo and ak ben mer comprendre mu li nga wax. maanaam mosoo and ak ben maire comme maire bi fi nek ni mosut a ñëw euh, jox loxo pour ngeen liggéey. non.

mais pour nit ñew ni ma kay ñu and wala nangam nangam non lool sax xam nga ñun mënu mënuñu ko parce que nag euh, dañu sutul xam-xam quoi dañu sutul xam-xam te wax dëgg yàlla euh, ku la sut ku neel nekk njool bi comme ëpp ñu na xam-xam sutu ñu xam-xam expérience bi ñu am xeyna sax ñom yalla mo leen baxé ñu nek mais rek mais ay li yëwat du expérience bu ñu ëppee du xam-xam bu ñu ëppee du jang bu ñu ëppee lool motax ñun euh ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ñu décider ñun daal jot na léegi suñu xam-xam ak suñu expertise véritablement ñu mettre au service des citoyens de Wakam ñu mettre au service des citoyens de Wakam mooy fexe liggéeyal leen liggéeyal askan wi fas yéene li ñu nous as néew ci dund ci àddina gi vraiment carrément, carrément ci liggéeyal dëkk bi. donc euh, feebar fait. feebaru dëkk bi ni ko xamee loolu tax nga jël d'accord. wax dëgg dëkk bi ndax dëgg dëgg dëgg boo duggee bi dëgg dëkk bi wax dëgg yàlla yàlla rek moo tax may wax ni mu waroon mel mel ko dëkk bi setul dëkk bi setul am na roq yoo xamante ni daanaka boo fa jaaree da nga naan lii moom lan la euh, sur le plan même euh, ci li jëm ci mbirum diine yi jàkk yeeg tout ça jumaa yeeg tout ça dañ leen war a lijjanti les abords dañ leen war a nettoyer bu mu set dafa leen euh, fu ñuy fu ñuy fu ñuy suturloo mais yëpp def ci manqué

di déboucher canal yi di di di def surveillance ba koo xamante ni xëy na sax def nga lu dul noonu xëy na sax ñu indi la ñu indi la ñu ñu teg la ci yoon mais tout ça daanaka amul yooyu yëpp nag dafa laaj ñu defaraat ko ensuite am ñu des places publiques dëgg mel wax dafa war am ay places publiques ay places yoo xam ne dañ koy aménager mag ñi bu ñu yoree seen kurus fajar wala takkusaan wala guddi sax ñu doxantu toog ci banlieue di xocc xoccal seen ay kurus di ñaan féexlu jël air dal di ñibi

nous avons trouvé des formules de modernisation de Wakam il faut que soit am parce que le rôle est la mais rôle également citoyen et cadre Wakam nous ñu àndandoo bokk nous bokk baay ci moderniser Wakam en tout cas si si yenn si yenn axes yi ak si quoi, dëkkuwaay yi ak ci yenn de yi dafa ensuite si euh, vous taw tam mi heureusement Dieu Dieu merci a le mais amna na jamono joo xamante ndox mi da fay lal ay keur ay inondation da na fi am wala bok ñu ñu toxu yoyep dañ ko wara a defar defar assainissement bo xamanteni ni état moo ko war defar mais maire bi amna ci wàll mais bu ñu jonction def suñu ay plan demander état bi wala tam ak l'apport extérieur la décentralisation ñu trouver ay partenaires ñu japp ni ci lolu lolu lolu fofu nak lay interpeller

xalé yi wax dëgg yàlla euh, am nañu ay rapport yu baax ndax euh, à chaque fois waxna naa leen nekkoon naa dirigent sportif donc nekkona fi euh, président ASC Léona bu euh di jaxo xalé yi ci sen bëgg-bëgg di leen jàppale ci sen regroupement yi te regroupement nawetaan dafa dafa metti il faut que ak ci transport yi également même avec les t-shirts ak sous-vêtements yi loolu yëpp ay mbir la football, nga xale yi football lool euh, sport moyen donc il fallait véritablement trouver des formules pour ñu donc côté y a problème avec nous. même dans le cadre de notre parti également euh, les bari nañu suñu parti bëgg parti de façon de manière générale jàpp naa ni ñaari ñaari buñ ñu leen des débouchés débouché nag du am di ci bureau des emplois payants extrêmement important gannaaw bi ñu amee formation parce que beaucoup, dafa bokk ci li nga xam mooy tàgg doomu xam nga boo demee Europe tey ku Italie bi ma fa am e, et moyenne industrie petite et moyenne entreprise di ñi defar ay euh, yeneen xeetu liggéeyukaay aluminium ñi di defar ay lal ñi defar lenn ak leneen ay entreprise yu ndaw la mais ni ñu bëri noonu la ñuy fortifier noonu la nit ñi di liggéeyee koom-koom gi di ñëw ba créer ay industrie Sénégal mën nañ ko xam nga wax naa la sànq géej gi li mu génne si jën mais c'est beaucoup macha allah mën nañ am lu am am solo ci wàllu ci wàllu dex gi alors euh, ci wàllu tourisme bi dañ koy développé. ça montre que ni daal yow daal euh, nitul kii ko quoi. non non non da am initiative. nit danga nga am initiative am xalaat. Mhm. am ay perspective mhm. am objectif am programme. Mhm. loolu mooy mbir mi. lépp loo xam ne yaa ko def rek. boo amul ay pes am loo ay xalaat am loo programme mais doo dem. mais si programme yooyu noonu dañuy dégg ne maire yu bëri fii nii dañuy woote budget boo xam ne ñu woote benn budget boo xam ne ay 600 millions ah, xaalis boobu du ñu xam fu muy jógee loolu naka la waa dëgg la.

amaana ben yon nga fa ci am wala ñaar yon liste des yep, daf koy daf fay suufee loolu nak moy fossé budget bi de façon générale te tam budget nekul xaalis bo xamanteni daf nek ci caisse gi rek dedet di nga lijjanti da ngay dem marché wor euh, ñi jaay ci mbedd mi parce que euh, dafa am domaine public de de l'État et cetera domaine public de la de la municipalité ñooñu mooy juuti yooyu ngeen dégg nga ñëw ci biti gi patente ak yooyu yooyu yëpp

bu amee euh, ay programme soirée ak yooyu et cetera yooyu yëpp mairie bi def ci war a am hôtel yi mairie bi daf ci war a am donc yooyu mooy source de revenu en fait yooyu mooy source de revenu ah donc ak ak ak ak ak yenn ak yeneen donc euh, yooyu mooy indi li ñu tuddee produit loolu la ñu xayma nag domaine bu nekk ñu xayma li ñu ci war a am domaine bu nekk ñu xayma li ci war a am bu ñu ko dajalee nag ñun lii de xalaat nañ ne war na mën a nekk budget bi moi xam muy 500 millions moins xam 800 millions moi xam 1 milliard. mais xayma bi sais la. C'est yi que je nga comme man nga ko que a jot. dire. du état bi les mais tam, day euh, waxtu bi mu a ñëw du toujours dañuy mairie à un certain moment donné nous soppar ñi que yi nga affecté tel domaine ñu que ko foofu indi ko jox ko domaine parce que.

Why lu ama am solo def nañ ko fi lo am Sénégal yakana ni kenn du ko buñu budget bi muy dem ba ay euh, milliards non cinq milliards je crois bu mu te ñun ñu fekkon ko ci 800 millions ak yu xam li parti Sénégal li un ci bu am solo bon donc euh, mbirum parti solo trop non parce que ngëm-ngëm conviction la ak ngëm-ngëm mm-hmm. euh, jàpp naa ni boo nekkee li nga nekk nga mat la nga doon mm-hmm. nga xam sa liggéey mm-hmm. jaarale ko ci ni nga xam ne noonu la ko loi bi santaane wax dëgg yàlla dañ lay naw ak di la félicité waaye buñ la duñ la boddi même buñ la boddi tam ñu am li ñu soxla. parce que mm, bu baax a baax man may man may responsable principal PDS fi Ouakam mm. ah oui je le président la.

bu mu leen ooyee ñu wuy si ma bu ñu waxtaanee ñu déggu ak man ci loolu. Mm. ñu koy doxal doxalin bu rafet na ko wax dëgg yàlla. dégg ren ren jii nga taxaw ne da a doon maire ren. wala waaw non xam nga man sax man sax wax dëgg yàlla. Mm. taxaw pour nga doon men sax kooku wax la. Mm. Euh, man euh, euh, waa PDS. militant parti démocratique sénégalais. góor ñi jigéen ñi mag ñi ak suñu soppe yi li ñu tuddee les sympathisants ñoom ñoo booloo ñu ne ma yow yaay suñu candidat. dañ maa sas yëgtuma benn yoon sam loxo ma ne man dem bëgg nekk candidat parce que yaa leen waaw doylu goog nga xamante ni nag doylu nañ ma damay ñaan yàlla suñu borom yàlla jàppale ma ba ñu bañ am rëccu ci li nga xamante ni euh, joxoon nañu ma pour ma nekk candidat seen candidat loolu nag mu nekk responsabilité bu rëy ma nangu ko nag ma bëgg ko assumer également ma nangu ko ma bëgg ko moo tax taxawaay boobu tey laa taxawee tànk yooyu lay doxe également ba keroog ñu fay àgg ci kattan suñu borom. jamono ji ñu ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu wakkaam tey ñu seet si woon monsieur Assane Ba ñu fàttali mbokk téléspectateurs yi ñu ngi ñu ngi moom analyse analyse financière la waaye tamit analyse financière waaw aussi doon doon administrateur de de société waaye tamit bokk si si si si parti PDS moom la ñu seet si woon wakkaam waaye tamit euh, samp ndëndëm si élection yi ñu dëgg ma 2021 2022 du moins euh, mais euh, monsieur Assane Ba tey jii suñu la waxoon nii nga déclaré def sa déclaration ci deux minutes ci deux minutes rek nga tënk ko ci deux minutes nga wax ak askan bi lan wax rek euh, mbokki Wakaam euh, citoyens et citoyennes man Assane Ba di seen xarit di seen wëlëre dëkk yéen Wakaam ma am yéene euh, nekk kandidaa askan wépp dépasse dans sa PDS ak quatre parti yi nga xam ne dañu bokk ci wàllu Sénégal dem bëgg nekk candidat wu mboolem kullu kuy yeewu ak kuy fanaan wakam ak doomu wakam yi nga xam dañ nekk ci diaspora bi ma bëgg kenn ku nekk ci li nga xamante fait dëgmal ko muy maire bi ñu gañe ak jam te it kenn ku ne fex ba gis na bu fekkente ni teg ngeen ma ci place mu soppar bi ci ba am ay formation am solo ndax loolu euh, njàmbat la bu la du ci rek mais Sénégal gépp la fexé donc ba ñu wutal leen am euh xalaat yi amna fi les petites et moyennes entreprises les petites et moyennes euh, petites et moyennes industries loolu amna fi ñu suqali suñu géej gi doxal tourisme bi fexé ba xale am ay euh, euh, fu ñuy tagot tagat seen yaram manam le champ sportif am ñu am ñu am ay stade pour football am am des terrains de basket ñu développer

Euh, fiñuy jaamu suñu borom mu set mu mu sécurité bokk na son programme ci ak wax carrément ci émission ndax dafa xat profession de foi euh, baaxe ko distribuer la totalité des actions que nous xamante entreprendre pour faire de enfin une ville moderne une ville stable une ville belle kon nag ñoo ko déggandoo loolu mooy programme euh, Assane Ba euh, doon candidat PDS ci élection locale 2022 ñoo ko déggandoo amatuñu lenn li nga xamante nii tey daan ko ci yokk ndax euh, li muy waxee xam na ne bu baax lan mooy feebaru wàkkaam kon nag suñ defee lenn ñoo ko tey ndax kii li muy wax nii suñ ko si jappalé amana wakam dina doon benen, wakam budul bi ni euh monsieur Assane Ba amana mayon ci si waxtu eh, jeexna tay ji lan moy doon ce modulateur euh la eh, di ñaan yalla suñ borom yalla may ñun ñep ñu fekke te tal ko ñu dugg si élection yi ak jamm ñu gagnok ak jamm mu nekk ngénneel ci wakam di ñaanal eh, kilifa diine yep di ñaanal kilifa aada yep di ñaan feebar bi nga xamante ni mooy coronavirus bi mu jóge fi ba abadan te wakaam nekk benn euh, cat wakaam mooy ñàkk bu déggoo mais demal ñaan suñu borom yàlla def ni seen i Abdou Aziz doon wax tàppe xol yi ñu nekk benn bu nekkee benn lu ñu soxlu ñu am ko te yaakaar naa ni euh, loolu daal mooy tàggatoo bi nga xamante moom lay bëgg a tàggatoo ak yéen yéen itam ma leen di félicité di leen ñaanal bu baax di ñaan yàlla seen direction bi yàlla def leen ngeen nekk télévision bu kowe kowe kowe ba ñëpp di leen séentu euh, indi leen xéewal ak jàmm maa ngi leen di gërëm baat leen sant ñun tamit ñu ngi gërëm bu baax di la sant monsieur Assane Ba yéen tamit ñu ngi leen di gërëm euh, mbokk internet EDB TV di gërëm bu baax a baax euh, ñu nekk ci réew meeg bitim réew nii rek lay demee incha allah euh, dara du leen ump fii nii ci ci ci ci réew mi ñu nekk incha allah lépp li nga xamante ni wàllu développement la dañ ci taxaw tembe ngir daal lañ koy wasaare tey nag ñu ñëwoon Wakam seet si ki nga xamante ni moom mooy monsieur Assane Ba dégg nañu kaddu yum ci yum ci yum ci yum ci ñoo ko déggandoo développement Euh, wakaam la bëgg waaye tamit euh, bëgg na lépp li nga xamante ni euh, doomu aadama yitti woon na ko mu daal ci taxaw tembe ba su meem sax su ko mattalewu rek mu def si ay jéegoom kon nag mu ngi noonu tàll na leen loxoom yéen waa wakaam xam ngeen lu baax yéen waa wakaam xam ngeen ki leen bëgg ak bëgg développement jeunesse bi ñu nekk si si si muy maire yeeg muy soxna yeeg ah imam yeeg yéen ñëpp monsieur Assane baa ngi nii tàll na leen loxo ngir ngeen ñëw ñu daal di liggéey wakaam wakaam jëm ca kanam maa remercier euh, Ousmane Diagne ah, borom France ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax si euh, si si régie bi euh, di ko gërëm bu baax a baax le magicien Aline maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom tamit ah, l'infatigable laa ko tuddee si micro yaa ngi am Mara Ndiaye ah di jox di dee ba beneen yoon incha allah jërë ngeen